waaw bis bi moom li ko sabab mooy ñun ay ndaw lañ euh, am benn kuréel bu ñuy wax euh, cercle de réflexion et d' orientation stratégique maanaam benn kuréel boo xamante nii day amal ay xalaat di ko bëral pour lu jëmalee euh, ndaw ñi kanam alors tey nag ñu am benn waxtaan benn atelier boo xam ne dañ kaa organiser ah invité si nag koo xamante ne nii macha allah borom xam-xam la ku maîtriser li nga xamante ni mooy wàllu employabilité des jeunes mu nekk le DG Abdou Khafour Touré tey nag mu ñëwoon doon ñu faram-fàcceel doon ñu yaatal li nga xamante ne ni tey moo tukkee woon ca ndaje ba nga xamante ne ni président ndaje dañu woon na ko ak ndaw ñi gannaaw ba ñu génnee doon doon xeex ak doon ñaxtu jafe-jafe emploi président Macky Sall daal di organiser benn ndaje ndaje ba nag neuf ponk daal di ciy tunkee tey nag juróom-ñeent ponk yooyu noonu nag la ñu àndoon ki nga xam ne a comprendre lan moo ko wut waaw comme nu ma ko waxee léegi-léegi rek euh, yaakaar naa ne ñun ay ndaw lañ alors euh, li ñuy def rek mooy li nga xamante ne état bi teg na ko ah, pour répondre en tout cas li ne moom mooy euh, jafe-jafe ndaw ñi jëm ci wàllu emploi ñu daal leen gunge ci loolu noonu gunge leen ci jox leen ay information gunge leen ci tàggat leen mais gunge leen également pour ñu xam état bi teg na fi ay banqaas yoo xamante ne nii ñoom en tant ay ndaw bu ñu ci demee dinañ mën a am njariñ ci loolu noonu waaw loolu noonu li ma ciy wax rek mooy euh, ñoom en tant que ay ndaw ñu xam ne ay doomu réew mi lañ doomu Sénégal lañ alors emploi amul ma sàmba amul ma demba amul xaj yi amul seen alors képp koo xamante ne ndaw nga te emploi bi nga xamante ne nii tey teg nañ ko nga gis ci sa bopp nga répondre critères yi yaakaar naa waruloo xel ñaar da ngaa war dem direct rek daal di tenter war nañ dal xel war nañ dal xel te président tamit wax na ko nee na ñoom nañ dalal xel alors euh, fexe daal li nga xamante teg na ko mu nekk ay euh, ay opportunité ñoom ñu dem ci loolu noonu Demba coordinateur du CROSS CROSS c'est le cercle de réflexion et d'orientation stratégique voilà merci beaucoup euh, je pense que l'essentiel euh, de cette activité d'aujourd'hui euh, s'inscrit dans le cadre donc d'un programme alors de formation de renforcement de capacité sur les politiques publiques initiées par le gouvernement et le président de la République du Sénégal aujourd'hui nous sommes là dans le cadre donc d'un atelier de partage et d'appropriation des politiques publiques euh, notamment donc, des neuf euh, recommandations ici du Conseil présidentiel sur l'emploi et euh, l'insertion socioprofessionnelle des jeunes, organisées ce 22 avril alors, 2021 au niveau donc, du Centre international de conférence à Oui, effectivement, donc, comme tu l'as dit, je pense que nous, on n'a pas besoin donc, de réinventer la roue. Alors, le président de la République, à l'occasion du Conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion des jeunes, a donc eu donc neuf recommandations majeures. Entre autres, parmi ces recommandations, il y a la création des, 60 65 000 emplois euh, pour les jeunes. Et je pense que nous, en, tant que structure euh, de réflexion et d'orientation, on essaye donc d'orienter les jeunes, de les sensibiliser, de les donner toutes ces informations-là euh, nécessaires pour leur insertion, mais également pour leur employabilité. Ces informations nécessaires, ce sont les, mécanismes donc, que l'État a mis en place. Alors, euh, l'État a mis en place euh, plusieurs mécanismes, notamment donc, le 3FPT, le Fonds de financement pour la formation technique et professionnelle. L'État également a mis en place donc, ce qu'on appelle euh, les ISEP, les institutions donc, supérieures de formation professionnelle. Mais également, il y a ce qu'on appelle l'ANPES, c'est des mécanismes, il y a, le e il y a la DER, donc je pense que toutes ces, tous ces mécanismes-là visent à participer à la création et à la formation donc, des jeunes. Nous, à notre niveau, on essaie donc voilà, euh, donner l'information par rapport aux jeunes à travers des ateliers, à travers des séminaires de renforcement de capacité, leur expliquer maintenant quels sont donc les voies et moyens à emprunter pour pouvoir en tout cas bénéficier de toutes ces opportunités-là. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas péril en la demeurant. Hein. ces jeunes-là, c'est des, des, Sénégalais, donc comme tout le monde. Alors, il faut juste voilà, être dans les dispositifs, de, essayer de répondre les, donc, les conditions pour pouvoir être euh, employé donc, par les différentes en cas, euh, euh, directions ou bien les différents donc, services étatiques pour en bénéficier. Je pense que oui, c'est démocratique, c'est démocratisé. Je pense que comme, que, comme vous l'avez dit, je pense que les jeunes n'ont pas le droit d'avoir ces inquiétudes-là il faut juste euh, savoir qu'on est des, Sénégalais, donc à égale dignité. Alors, euh, je ne vois pas la raison qu'un jeune se, permette de dire que voilà, ce sont des emplois, donc, ce sont des emplois en tout cas politisés. Il n'y a pas ça parce que le président de la République en personne l'a très bien dit, il l'a expliqué, il a dit que donc c'est accessible et c'est pour tout le monde. Alors, euh, il y a les concours qui sont ouverts. Il y a également le, crème pour les enseignants. Il y a le concours de la police, il y a le concours de la gendarmerie. Mais également, le ministère de l'urbanisme également a lancé donc, des programmes de recrutement. De même que le ministère euh, donc, de la jeunesse, l'ensemble en tout cas des ministères concernés. Alors, il faut juste essayer d'aller vers euh, ces directions-là et essayer donc de bénéficier amplement de ces supports.